techniquement, financièrement, avant de valider. Je ne veux pas aujourd'hui qu'on me dise qu'on a fait une erreur d'évaluation. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. L'ONAS n'est pas une entreprise débutante. C'est une société qui existe depuis très longtemps, qui a l'habitude de faire des études et des ouvrages pas me dire que sur le programme des 10 villes, on a s'est trompé et qu'au lieu de 60 milliards, on avait besoin de 100 milliards par exemple. Si c'était le cas déjà, il y a une faute. Mais je ne pense pas, ce n'est pas un argument qu'on peut recevoir, premièrement. Deuxièmement, les 60 milliards, où est-ce qu'ils ont été enfouis Il nous faut un rapport, une étude détaillée parce que vous ne pouvez pas avoir 60 milliards pour me dire que c'est consommé et qu'aujourd'hui, on soit encore à cette situation. La station même n'est pas construite. On est obligé de trouver des solutions de fortune. Moi, je pense qu'il nous faut avoir beaucoup plus de rigueur dans la manière d'indexer ces questions-là. Et de ne pas venir trouver une situation qu'on essaie de légitimer, légitimer quelque part, où on absout les gens et on avance. Avec 60 milliards, on devait avoir des résultats. Or, de ce que je comprends, le résultat n'est là nulle part. Ni à Touba, ni à Pékin, ici à Saint-Louis, ni à ni ailleurs. Où est-ce qu'ils ont mis l'argent Donc faites-nous ce travail. Nous allons continuer. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Nous allons essayer de mettre des moyens. Mais on ne peut pas aussi passer par perte et profits ce qui a été fait ou comment ça a été fait. Et ça, nous l'exigeons, il nous faut faire ce travail. Vous me dites ici à Pékin combien de milliards ont été, en tout cas, ce qu'ils ont avancé pour avoir été dépensés ici à Pékin, il faut ngeen nous. Nous nous. ñu xool ndax nous loolu méngoo nous avons ñu gis ci Pikine nous defal nous la les et c'est comme ça qu'on doit redresser le pays. Sinon, les choses vont se sédimenter. Et on essaie de trouver des solutions. Et c'est les pauvres populations qui trinquent. C'est parce que si nous l'avons, nous faire avec Donc ça, c'est impératif. Maintenant, les solutions pour que l'hivernage du Kodial, c'est important. Les motopompes, c'est bien. Le bassin, c'est bien. Mais c'est des solutions de fortune pour que Pékin hivernage et ça j'y tiens particulièrement il ne faudrait pas qu'on nous dise que Pikine a tel ou tel problème il faut que nous trouvions des solutions maintenant après pour le reste comme l'a dit le ministre nous verrons parce que euh, les besoins sont immenses souvent c'est des arbitrages qu'il faut faire mais nous considérons que vu l'importance que revêt le programme de cette Suñu pour son excellence le président de la République impérativement dit de fordon est priorité et trouvera le moyen de surtout pour des villes à forte densité 100 000 habitants quand même pour un quartier comme ça euh, ça devient une urgence c'est une question de salubrité et de sécurité publique Moi je verrai avec le ministre des finances nous comment euh, trouver des poches, en pour euh, accélérer le processus, pour avoir une solution durable. Mais dans l'urgence, il faut évidemment mettre en place ce dispositif pour que Rennes, au moins, euh, Mais j'accorde beaucoup de prix à ce que je dis. Et dès votre retour à Dakar, il faut que vous vous y mettiez et que vous nous envoyez rapidement un rapport détaillé sur l'exécution financière de ce projet. Parce que 60 milliards, quand même, c'est pas un franc. Et on en est là dans toutes les villes. C'est pas normal. Pas normal. Alors l'autre enjeu, monsieur le Premier ministre, c'est un enjeu de gestion de Là, il faut que nous, les populations nous aident à nous transformer non canalisation en dépotoir. Parce que là, ça coûte très cher d'y repasser chaque fois pour pouvoir faire un purage. Alors d'une part, on n'a pas de ressources hommes. pour faire le curage de l'ensemble des Canadiens. Ici à à, à, Pékin, nous avons 10 km de réseau Nous, nous, nous n'avons plus alloué que 5 km pour le tirage qui sera fait avec, les entreprises. Et ça signifie qu'il faut que euh, la mobilisation sociale nous aide dans l'urgence à pouvoir compléter tout sur le réseau. Voilà, que, les autres euh, que le privé Wakil également à la ressource partout pour nous aider véritablement à pouvoir atteindre taux de 100% de ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masawit ci naaj bu tàng bi di leen masawit ci situation bi ñu gis fii tey dañ fay ñëw ci turu son excellence le président basiru Diomaye Faye euh, muy ñaareelu bés bu ñu leen lépp lu jëm ci setal suñu réew setal suñu réew nag mi ngi doore ci setal suñu gox loola tax tey président moo fi waroon ñëw waaye am na gàllankoor bu tax mu waroon tukki mu yebal ma fii ñu wax leen nag ni ñun du ñu ñoo xam ne dañuy fal ñu dem tëju ci ay buro fàtte askan wi lu bëri suñ ko gisee ñenn ñi dañ naan lii populisme la bu dee lii mooy populisme ñun dinañ doon les premiers populis di monde waaye suñu gis-gis mooy soo buggee jiite ay nit dangay ngay jaxasoog ñoom di nekk ak ñoom di xam seen tawat ak seen jàmbat ñu lay gis di la dégg nga bañ a aju di leen xeeb looloo tax nag muy man muy samay ministre ci gouvernement bi rawatina son excellence le président Bassirou Diomaye Faye moom ci boppam saa su jàppandee rek dinañu dem fekki askan wi waxtaan ak noom déggu seeni jambat jàmbat waaye wax leen it ci li nekk ak fi ñu jëm parce que loolu dafa am solo li ñuy liggéey askan wee ko war a boppam waaye pour loolu am il faut que askan wi di xam fan la ñu jëm ndax ku xamul foo jëm mënu la gunge kon tey ñu ñëw fi ci cadre bi ma wax léegi ni maa ngi masawu waa Pikine ndax kenn ci ñun bëggul dëkk wala dund ci condition yu mel nii kenn bëggu té li dafa wara dak ci Sénégal waxna légui monsieur le directeur général ONAS ak monsieur le ministre de l'assainissement gannaaw biñ ñu waxé problème bi am fi liñ leen njëkk a moy mooy bu ñu demee nañu def évaluation té joxna leen semaine pour ñu andil ñu résultat ñu wax ñu programme bi nga xamné programme bi nga xamné ne nañu dañu jëlone fukki dëkk ci Sénégal war fa def 60 milliards pour dëkk yoyu ñu def fa assainissement te Pikine bokon ci nañ ñu wax 60 milliards yoyu fan la ko gaay duggal ba tax tay ji ba tax tay ji station bi ñu waroon tabax fi nga xamné mo warona parce que problème bi am fi moy canal bi ñu niveau bi mu nek dafa suufee par rapport ak niveau géej pour ñu mottali ko il fallait ñu def fi ben station d'épuration bo xamné moy relever ndox mi traiter ko doog ko mën a lan moo tax station bobu tabaxuñ ko té néñu ñu bi seey na dem monsieur le directeur général bëgg na nga défal ñu ci rapport lolu ben la ñaarël bi jox nañ leen digëlit lañ ci wara def dinañ ko def pour ñu yeggali liggéey bi ci ni mu gën a gaawee incha ci digënté bi ñepp xam nañ ci nawet lañu jëm wala duggu nañ ci sax daanaka kon jox nañ leen digal pour solution yi ñu bëgg def moy bassin bi ñuy def fi ak moto pompe yi nga xamné ministre de l'assainissement lu mat fukki moto pompe dinañ ko jox gouverneur ñu placer ko fi ba nga xamné lu ndox mi